usine de dessalement nee nañu woon du priorité parce que ndox mi defe naa nango sec moo ko député nango sec parce que ndox mi mi ngi ci suuf loolu aussi dama bëgg wax leen ni suñ koy wax ñu ànd ci ak mandu bayyi borom xam-xam yi ñu set nan lañu ñu ndox mi ku nekk xam na né Dakar ci ay 1960 bobu forage yi Caaroy la nekkoon di alimenter Dakar bi toge ba ciaro yu forage yu yi mënatul ñuy pousse ba ay sibi xutaan biñu gisé né ne Dakar ñu dem ba de guerre. di ndox te forage yu ci région du Cap-Vert fi ay forage fay xëc ndoxu bi mu wax le biseau salé daf koy xëc mu ñëw finalement ndox mi fay yàqu looloo tax ñuy jël ndox mi di ba mais def usine de dessalement bi dafa mel le président Macky def ci électricité nous bañ dépendre électricité thermique mais en même temps def un mix énergétique Nous dépendre aussi ci électricité renouvelable looloo tax ñu comme Dakar ndox mi li ci ëpp day nous Kër aussi une usine de dessalement pour que problème nous ñu en septembre 2013 bi tuyau bi nous suñu usine de dessalement dana une façon de d'atténuer les risques d'alimentation en eau potable de Dakar pour ñu def

316 km de tuyaux qui ont changé Dakar wax qui ont démarré usine de dessalement retard parce que nous avons appel l'appel bi Nous ñi ngi ci procédure d'attribution euh, euh, attribution financière bi est euh, ci contrat Nous dama bëgg wax gouvernement pour assainissement Touba 2 milliards de règles parce que nous devons d'abord d'abord un programme 10 villes qui a milliards de francs CFA Nous bu actuellement tout Touba assainissement le projet d'assainissement bu mel noonu nous une am bi inondation de façon urgente le président va débloqué 4 milliards dans le cadre du plan Orsec pour drainer la capacité d'évacuation de New les travaux sont en cours Moi, en résultat nous annoncé woon de nous injecter à partir de 2022 23 milliards 17 milliards pour nouveaux plans d'assainissement 5 milliards pour réhabiliter le réseau qui existe et ces 23 milliards ont été inscrits dans le budget 2022 donc n'est pas 2 milliards il faut lire le budget c'est 23 milliards en autorisation d'engagement 2 milliards en crédit de paiement. Le reste maintenant, le reste maintenant, le budget, c'est 23 milliards. Le reste maintenant, quand vous le faites, honorable député, quand vous le faites, quand vous dites, vous inscrivez 23 milliards en autorisation d'engagement, vous pouvez lancer un appel d'offres pour 23 milliards. Vous pouvez contracter pour 23 milliards. Le reste maintenant, c'est un problème de paiement, soit par l'État, Soit on donne à l'entreprise à qui on a donné un marché le fait de contracter avec sa banque, de financer les travaux, et l'État du Sénégal se charge d'épouser. Mais ce qui est dégagé comme budget, c'est 23 milliards de francs CFA pour faire les travaux, et ces 23 milliards permettent de faire les travaux.